Mardi 23 avril 2024, euh, auditrices et auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Moi, c'est Ali Moukela Ouseni, alias Seno, et ce matin, je suis en compagnie de Fanta Chamsou. Bonjour Fanta. Comment vas-tu Je vais bien, Seno. Et toi, comment tu vas Bien, et on n'oublie pas aussi de faire coucou à la merveilleuse équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit d'Adama Dawaki à l'édition et Issa Laoli à la technique. Alors c'est nous quel est le programme du jour Comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information. Il y aura ensuite la rubrique hebdomadaire sur la santé, une page sport, euh, la rubrique portrait et le loti du jour. Et dans la partie écho des régions, nous allons faire un tour à Maradi pour parler de la contribution des associations des jeunes dans la cohésion sociale. Il y aura aussi la, partie, la entretien du jour et nous allons donner la parole à Tassu Bakoy, artiste traditionnel et percussionniste de Maradi. Comme annoncé, nous allons débuter avec le flash d'information présenté ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Seno, bonjour Fanta. Bonjour Mokhtar. Le flash d'information à présent. En visite à Difa, la ministre en charge de l'éducation, Dr Elisabeth Sherif, a procédé ce matin au lancement des examens du BEP, brevet d'études professionnelles, et du CAP de l'éducation physique et sportive. En compagnie du gouverneur de la région, elle a entamé une série de visites dans les services et établissements relevant de son département ministériel. Les travaux de la première session de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de DIFA au titre de l'année 2024 se sont ouverts hier lundi. 16 dossiers seront traités, dans des affaires liées à des crimes contre des personnes, des atteintes aux biens et des crimes contre les mœurs. On note aussi des infractions correctionnelles connexes comme la détention illégale d'armes à feu et de munitions et association des malfaiteurs. 25 journalistes des agences de presse membres de la Fédération atlantique des agences de presse africaines participent du 22 au 26 avril à Rabat au Maroc à, un séminaire sur le fact-checking. Cela permettrait à ces hommes des médias d'acquérir des compétences pratiques pour maîtriser les techniques de vérification de l'information et lutter contre les fausses informations et rumeurs. C'est également une occasion de renforcer la résilience des journalistes face à la désinformation. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 23 avril 2024. Merci beaucoup Mokhtar et bonne journée. Chers auditeurs, comme annoncé, notre invité du jour est Tazio Bokoy, un percussionniste de la région de Maradi. Son domaine de prédilection, l'adouma, un instrument traditionnel de la famille des tambours, spécifique à la région de Maradi. Oui, Fanta, avant de lui donner la parole, nous allons écouter la première musique de notre playlist d'aujourd'hui. Il s'agit de Wakar Ribji de Souley Konko. loli bakin kasuwa alike yawo in gale ka mai nawa na shanu Allah ya biya ka kyauta ka kai na gode da alheri uban lawali Sule ya gode da alheri uban lawali R du fait sur les concours et le son que vous écoutez en ce moment. Nous pouvons dire de lui qu'il fut un véritable ambassadeur de la diversité musicale et de l'authenticité culturelle du Niger. De son vivant, il a poursuivi une carrière artistique exceptionnelle a laissé une empreinte indélébile. Et oui, Fanta, la carrière artistique de Souley Konko était une odyssée créative qui a touché le cœur et l'âme de nombreuses personnes. Son art de musique était un témoignage de son talent immense et de son dévouement à l'expression artistique. Il restera dans nos mémoires comme l'un des artistes les plus remarquables de son temps, dont l'influence continue de s'étendre bien au-delà de sa vie. cai com o sol. Et oui, voilà, Soul concours restera à jamais gravé dans nos mémoires, n'est-ce pas Fanta Bien sûr, c'est nous. chers auditeurs. Après cette pause musicale, nous allons passer à l'entretien du jour. Dans cette première partie, Tassu Bokoy nous parle de la structure et la composition de la Douma. Il est au micro de Maman Ada. Eh, salam alaikum ko gabatar da sunanku da matsayinku. Sunana Tassu Bokoy. Tassu Bokoy ina ɗaya daga cikin masu shirya wasanni. na al'adun gargajiya musamman ma hada wata wasa da nake shiryawa duk shekara-shekara a bakin ruwan madarunwa wadda ke tare da ɗumbin tarihi na raya al'adu irin namu na gargajiya musamman ma wanda ke nan maraɗi da kuma ƙasar mu ta nijar ma baki ɗaya sannan kuma banda wannan kuma ina ɗaya daga cikin makaɗa na gargajiya wanda suka yi suna kuma suka yi fice ta hanyar kiɗe-kiɗe irin na gargajiya wanda ba a ƙasar nijar ba ba ni zancen jihohi na nijar har ƙasashen waje na leƙa kamar ƙasa goma sha ɗaya bisa ga kiɗe-kiɗe irin na gargajiya. To madala wato muna so mai je ƙarin bayani kan wato kayan kiɗan nan na maraɗe wanda ma shahara ga hausawa shin idan an ka ce kayan kiɗa na duma mi za a cewa mi ake son a ce. Idan aka ce kayan kiɗa duma duma su ne na farko kayan kiɗi na farko wanda aka sani a nan garin maraɗi wanda bakin gwalgwado duk in za ka yin maraɗi da sunan al'adu musamman ma da sunan kiɗi dai to duma ne za a ce ma saboda nan ne aka haihe su nan aka yanke masu cibiya nan aka yi bikin ganin su nan aka yaye su nan suka tsufa nan suka yi wayo nan suka yi arme da dai sauransu kenan duma kayan kiɗi ne na galgajiya tsantsa wanda duk wanda ya san su ga halin yanzu ga da maraɗa aka san su ta wanda maraɗi ne aka yanke musu cibiya kuma maraɗa aka san su. Eh to eh, shi kayan kiɗan na duma ya ne ake yansa. duma wato ƙwarya ce ƙwarya idan ta hito take girma idan ta girma ba tare da an ta ba an maida ta ƙwarya guda biyu kamar da mata ke sussuka ko kuma su nika gari a ita barinta ake haka idan aka barta sai a ɗan mata huda ƙarama ga karamai in babba ce kuma sai a mata huda mai dan girma shine yake ba da kaga kaman uwa da ɗiya da idan ka duba kuma za a so zare a cikin zaren nan za a wato ɗaura guda daga sama za a yi ɗan kulle ɗan gamo ƙarami a ƙasa wanda zai ba da dama a ɗunka na saman shi ana ce mashi kirinya shi ma na ƙasa ana ce mai kirinya sannan idan an gama ɗunka da zare akwai can ƙasa gamo da ake na igiya shi kuma gamo ake ce mashi kaji da ake tsara su idan aka tsara su in uwar dumunya ce babba ita ce ake ce ma uwar dumunya kenan ita ce ake sa mata mai na gujiya in son samu ne man na gujiya shine ke ba ta dama hata ta jiƙa ta yi komi har a buga ka ji an aza kafa tana canza kuka kala kala iri iri sannan ita kuma karamai ita ce idan an ɗinke ta ake tanke ta da kyau da kyau in aka tanke ta ka ji ta kama ana buga kwano ka ji ta kama ana buga kwanko ita kuma a hausance muna ce mata sarneguwa wasu kuma suna ce mata diyar dumunya amma dai a sunanta dai na gargajiya sarneguwa ita kuma waccan sunanta uwar dumunya banda su biyun kaga akwai kanzagi shi ma tare suke banda kanzagi akwai kurkutu kurkutu ma tare suke akwai yan sauyi ita ma dumiya ce wadda ake azawa can gaba ana ce mata yan sauyi kaji suya da suke kwamfilan su in son samu ne guda biyar haka suke kenan da uwar dumiya da sarne guwa wannan da kurkutu shi kurkutu da shi da kan zagai duk da icce ne ake yin su a sassare icce a rarake shi a gyara ya ba da dama a yi kurkutu ya ba da dama a yi kan zagai sannan ita kuma o dumuya guda da ake ce mai sauyi ita ma dai dumuya ce wadda kamar sekur ne in waccan ta mutu sai a ɗauko ta asa in bata mutu ba kuma tana nan tana agaza mu waccan eh kaji da to ya ake gane aman wato duma ko kuma in ce kiɗin ya ake gane shi da sauran kayan kiɗa kamar kalangu da eh, kokotso haka ko kuma guduma yadda ake gane su kaga dai ita duma da ka ganta kwarya ce ban da duma babu wani abu wanda ke da kwarya sai tambari shi kuma tambari kamar kwarya ce rabin kwarya ne kenan yake yin tambari shi kuma duma mulmulal ne ne guda daya shi ne ke duma sannan kuma yadda ake gane shi ko daga nesa in ka kaɗa ya sha man nan ya yi komi da an buga shi za ka jin komo man nan in ya ji mai sosai yana amsawa yana wani twain twain twain sosai shine bambanci sannan kuma ugin shi da rurin shi kuma ya ɗara kalangu sannan ya ɗara duk wasu kayan kiɗi kuma da ka sani inda ya ji man ya ishe shi kaji me yasa ake aza kawa kan shi duman ana kaɗa shi yawa abin da yasa ake aza kawa kamar yana iya canza kuka ɗaya na bin ɗaya fiye da hamsin in kana so tare da wannan kahoi akwai inda za ka aza takon kawa kukan shi daban akwai inda za ka aza ijiyar kafa kukan shi daban akwai inda za jawo kafar ta taho gaba daya kukan shi daban akwai inda za ka ɗage kafa kukan shi daban akwai inda in ka hidda kafa buga da zaka yi kukan shi daban akwai inda kuma za aza rabin kafarka kuma kukan shi daban shi dai ma'ana aza kafa ya ba da dama ne a buga duma duma ya canza kuka ya canza ruri ya yi muryoyi iri-iri Voilà, avant de continuer, chers auditeurs, euh, nous allons faire une euh, autre pause en musique avec le son euh, featuring entre Kitari et le groupe euh, de rap MDM Crew. Voilà pour vous le titre Dangerous. Kitari MDM Pussy Never Die Négritude Record It's your boy Slim B on the Elle nous a c'est la beauté incarnée Ses beaux yeux je pourrais assassiner le feu à ma propre maison. comment que voiture et tout ce qui s'ensuit. Shawahala. Shawahala. Elle nous enchaîne par sa démarche. D'un seul regard, elle nous a à ses pieds. Juste la toucher et la câliner. L'avoir dans mes bras pour toute la nuit. Elle nous a choqué bam bam. Elle nous a choqué bam bam. moi je n'en peux plus. Elle m'a menotté. Man, bari bari bari bari. Idan wani yarinya bare shi bani gari. Ko a bani ko ne ita koni gari. Sai dai in ga hoho na gini de bani bari. Wami ne kike so ka aiki no. Mota da kuɗi ka aiki no. wa salula ka aiki no. Takardun gidan tsoho ma aiki no. Lalle na san halin shi. Amma san ki san hau ma shi yau. Dangerous yare ya ta sa wane da wane tun ba shi Dangerous yare ya, dangerous yare ya, su shawala. Le featuring entre le groupe MDM Crew et le jeune artiste voix d'or Kitari du Niger est une véritable pépite musicale qui allie authenticité de la musique nigérienne à une nouvelle vague artistique pleine de promesses. Ce partenariat artistique a suscité une grande attente dans le domaine de la musique locale et il n'a pas déçu. Et oui, MDM Crew connu pour euh, son mélange innovant de la musique au Niger avec euh, des influences contemporaines a toujours été à l'avant garde de la scène musicale du pays. L'air maîtrise des instruments traditionnels combinés à des éléments modernes de hip-hop et RB crée un son unique et captivant. Say a shower hala, eh. Shower eh. Shower eh. Shower eh. Biggie, biggie, bum, bad, bad girl. Elle a pris un otage, many, many men. Biggie, biggie, bum, bad, bad girl. So system de jeu very, very bad. Biggie, biggie, bum, bad, bad girl. Elle a pris un otage, many, many men. Biggie, biggie, bum, bad, bad girl. I'm just sugar. Very, very bad. Biggie, biggie, bang, bang. Voilà, chers auditeurs, retour au studio à présent pour la deuxième partie de notre entretien du jour. Cette fois-ci, le percussionniste Tassu Bakoy nous parle des occasions spéciales au cours desquelles on fait appel à la Douma et des messages qui peuvent être dissimulés dans les notes musicales que cet instrument compose. Il est toujours au micro de Maman Ada. Eh, Mishi Douma, Wadana salon rawani qui est yawa salon rawar da yake tahe da su dama tun da aka taso daga tsohon gari tare da duma aka taso a lokacin babu wasu kayan kiɗi da aka sani maraɗi illa bayan duma su kuma duma inda ake kaɗa su lokacin da 'yan mata suka hiddo kayan abinci waje na saidawa in suka hiddo ana aza bula wasu na tallar tuwo wasu na tallan masara wasu na tallar da dai sauransu to a nan ne ake hidduduma abin da suka saida kuma ana su da wannan kiɗi ana cashewa a cika dare in dare ya kware kowa ta gida su ainihin su kaji su abu na biyu kuma su ne suke ba da dama bai ce 'yan mata su sha samari su sha kuma sai a ƙara da in ma za a aure da su ake yin kiɗan zaman lalle kamar irin zaman lalle yanzu kaga a yi sai aza radio to a lokacin nan mara duma ne ake aza sai a yi sati ana kiɗin duma maimakon radio sai a shati ana sharawa sannan ran ƙarshe kuma da duman nan ake kaɗawa da duman nan ake rakke amarya da duman nan ake kai amarya a yi kiɗe-kiɗe da sauransu har da ake damu duka da duman nan ne ake yi sannan har akwai wata al'ada ma wadda in yarinya ta kai bance kamar ta kai budurwa ba taba sanin wani namiji ba sai mijinta shi ma da duma ne ake kiɗi ake faɗa ma mutane cewa yarinya ta kai bance ta hita kunya ga mikiya Kenan ana iya yin kalamai na magana ko wani eh, eh, wato kar magana da duma. Ana yin karin magana sosai kamar yanzu wanga na karshe da na ce ma ana yin kamar eh, kiɗi na yarinya ta kai banci shi kiɗin sunan shi uwa barka kaka barka. Girin gidigin gam gam gam dan garan gam jam gam jam kada kamar kiɗin na cewa uwa barka kaka barka abun barka ya same mu abun barka a kware kware abun barka haka a saman likalau gaje da kiɗin yake girin gidi gangan gamdam kaga da garan magaran magaran gabdan magaran gabdan mu karaga mu magaran duk wanda suka san wannan aman kiɗa wannan sauti suna gane lalle dai duk wanda suka sani yanzu haka in saurari ake duk wanda ya sauraro na kiɗi ya san duma kuma ya san maraɗi ya san da haka banda shi kayan aje gare shi kamar hidda amarya akwai kiɗin da ake goya amarya shi kuma goya amarya na ana moyin wata rawa da ake ce ma eh, zuga zuga kuma ita goya amarya ake ana tattakawa ana mata barka allah ya kawo mata miji allah ya sa ta yi aure za ta rabuwa da iyayenta lahiya kuma za ta rabuwa da abokai lahiya za ta rabuwa da dangi lahiya sai ta isa ta barka za a kai ta gida to a yanzu wannan lokaci da ake na wannan zamani ana la'akari da wasu abubuwan gargajiya da suke bacewa kuma ana esa wato kiɗan duma shin me ya kawo wannan matsala da ake fuskanta na bacewar wasu al'adunmu na gargajiya musamman a bangaren kiɗan duma lalle ka tambaya mai kyau kuma ka tambaya daidai inda za ka samu amsa da irin da ya kamata saboda a farkon harin na gaya ma na ce ina ɗaya daga cikin mai shirya wasanni na raya al'adun gargajiya kuma ina son a maido da martaba su kamar yadda muka tashi da muka ga ana yin su mu gani tunda mun gani suna rage abubuwa da yawa tunda idan ka ɗauka kama tambaye da kai abin da ke sa yanzu suke ɗan ja baya kaman babu riba ba su da amfani kuma babu wata fa'ida kuma babu wani abu da ake samu kamar irin na daɗin tunda da idan kana kiɗi kai wani abu ne wani abu ne wanda in kai makaɗi ne kana kiɗa duma hili to in aka ce ma damuna ta ƙare za ka ga 'yan mata ɗaya na bin ɗaya san kawo dammuna dammuna kowace daga gidan sai ta kawo mai haci gidanka sannan samari su ma su kawo dammuna gidanka sannan da sauran sai da komi to kaga kunan aka tsaya akwai riba sannan ban da wannan in ka diba kayanka na sawa samari da 'yan mata ke su kama ka kai makaɗi ban da wannan abincinka na sahi na rana na marice duk inda ka tunkari ana sai da abinci to kai ba ka sai in dai ka iya kiɗi in dai makaɗin ne kuma na gargajiya na duman to ba ka sayan abinci duk inda mata ke sai da abinci da sun ga ka yanzu sun kullo su aiko ma in tuwo ne in shinkawa ce yanzu sun kullo su aiko to me ya kawo wannan matsala to to babban abin da ya kawo wannan matsala rashin kula da rashin sani me rashin kula da rashin sani kamar lokacin da ake abubuwan ana yin su matasa na yanzu ba su kula ba ba ruwansu zamani suke ba ƙarfi zamani suke ɗauka shi ya hukumi to shi ya kawo hakanan tunda me yasa inda suna bi akwai abubuwa da yawa da za su cinta su sa a cikin su. kana nufin kiɗe-kiɗe na zamani duk suka karya wato eh, lagon wannan kan kiɗa na duma eh gaskiya su suka ɓada tun da yanzu akwai wuya ka ga matasa sun hito sun zanna suna huta ka iske su ba tare da rediyo ba akwai wuya shi kuma rediyo na akwai wuya ka ji su a ce kiɗan duma ne suke saurare sannan in ka wuce wannan akwai wuya kuma ka zo ka iske ana zaman lalle kuma ka iske duma ne aka aza a rediyo ne rediyo nan kuma in ka yi zanna tun karfe takwas da aka fara zaman lalle har aka yi sha biyun dare akwai wuya ka ji ansa waka ta duma ko kuma kiɗi na duma ana rawa akwai waya sannan in ka ɗauke wannan shi kan kan shi bikin amarya da kuma bikin angon da biki na wane ne akwai wuya ka ga ana yin shi an ɗauko duma an zo an aza an ce da su za a yi duk akwai wuya to yanzu ya kake ganin za a maido da martaba wannan kayan kiɗa na musamman na jihar maradi yawa abin da za a yi a maido da wannan kayan kiɗa da martaba su na nan maradi gaskiya babban abin da ni nake tunani a samu wani kamar eh, wani santar kamar wani gida cibiya wadda za a kawo kayan kiɗe-kiɗe na galgajiya a zuba su in aka zuba musamman duma su yawa sannan daga lakwal-lakwal kamar da ake zuwa a ɗauki karatu a zo a ɗauki wane ne a zo a kawo yara su ga abin tarihi to sai a rika ɗauko yara a rika kawo su ana gwada musu kun ga kayan kiɗe-kiɗe irin na gargajiya irin na da kun ga kayan kiɗe-kiɗe irin na kaza har ana sa musu wasu kiɗan ɗan har ana sa musu wasu kiɗan ɗan sannan in waka za ku yi kuma a ce a waƙan nan ba musan a sa gitar waƙan nan ba musan a sa kayan orkes waƙa ba musan a sa piano a yi da duma kaɗai to dole za a maido da martaba ta duma da dai sauransu to me yasa ba ku iya ruwa da kan su mawakan zamani in ka ɗauki misali wato yi mamman garba ya rika sa duma da kayan zamani yana waka shi bai sa aka manta da duma ba ya ƙara martaba duma kana ganin ba za su iya taimaka ba wajen a zamantattar da wannan kiɗi nasu duma suna iya sawa duma suna iya sawa yadda ba a tsammani to sai dai kasan duk abin da aka riga aka bari da kwana ɗaya to kai kuma sai ya barka da kwana goma idan ka bar abu da kwana goma sai ya barka da wata ko da watanni goma ko da shekara goma to gani ake yanzu an riga an bar duma-duma sun wuce lokacin su ya wuce yayin su ya wuce to duk wanda zai ciya ya maido martaba su ko kuma ya sa kuɗi ya yi wani abu da mun ya maido da su ko kuma ya ci riba da su to gani zaye gaskiya kafin a yi haka Voilà, chers auditeurs, c'était le percussionniste Tassio Bakoué des Maradi au micro de Maman Ada. Sinon, on se retrouve juste après la pour la rubrique Hebdo Santé. D'accord. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalango. Le Niger sur Kalango est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalango. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et place à présent à la rubrique hebdomadaire santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie de peau qu'on appelle d'artre. Ce sont des taches qui apparaissent sur la peau de certains individus et en fonction des saisons. Oui, notre collègue Habiba Ahmed s'est entretenu avec euh, Dr Saleh Ousmane, dermatologue, virologue à la clinique Zara. Écoutons-la. La maladie de peau qu'on appelle d'artre, il faut savoir que scientifiquement, on l'appelle beaucoup plus le ptyriasis versicolore et c'est une maladie qui est causée par des champignons qu'on appelle levure. Qu'est-ce qui cause la maladie Elle est causée par une levure et ce qu'il faut savoir, c'est que cette levure est une levure qui est c'est-à-dire que dès la naissance, chaque individu qui est né, il naît avec cette levure-là. Et cette levure dépend de la peau de l'être humain et c'est une levure qu'on appelle le Malassezia furfur Et quand elle est sur la peau, elle secrète son acide qu'on appelle l'acide azélaïque qui vont donner certains signes qui vont interpeller certaines personnes à venir consulter. Mais il faut savoir qu'il y a certains facteurs qui favorisent sa survenue sur la peau. Sinon, au début, quand elle naît, elle se camoufle sous la peau. Et en fonction des facteurs qui favorisent maintenant le fait qu'elle remonte sur la peau et qu'elle se mette à secréter, c'est ça qui donne cet aspect de dart comme vous, on l'appelle. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs qui varient d'un individu à un autre. Il y a les facteurs climatiques. Vous allez voir certaines personnes qui vont avoir leur lésions de dartre pendant la période hivernale ou pendant la période de chaleur ou pendant la période froide, chaque individu a son facteur qui favorise la survenue en surface de cette levure. Parmi les facteurs, vous devez savoir qu'il y a d'autres types de facteurs, comme les changements hormonaux, les facteurs hormonaux, c'est-à-dire des femmes qui tombent enceintes. Vous allez voir, avec la grossesse, elles peuvent avoir les lésions de dartre qui vont apparaître. Il y a d'autres, quand ils sont stressés, ils peuvent avoir ces lésions de dartre d'autres quand ils prennent du poids ou quand ils maigrissent. Et quels sont les symptômes Il faut savoir que même les symptômes varient d'un individu à un autre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, vous allez voir que quand les lésions apparaissent, ça va les gratter, ça va être prurigineux. C'est-à-dire qu'ils vont gratter, gratter au point où ça sera insupportable et ils, ils vont venir consulter. Deuxièmement, vous allez voir, il y a d'autres, c'est quand les lésions sont étendues, et les lésions peuvent être variables d'un individu aussi à un autre. Vous allez voir, c'est pourquoi le nom versicolore d'ailleurs, c'est une variation de couleur. Vous allez voir chez d'autres personnes, ce sont des lésions, c'est-à-dire vous allez voir des taches qui sont noirâtres, d'autres brunâtres ou noirâtres, d'autres, vous allez voir, c'est des taches blanchâtres, d'autres des taches claires, mais il y a toujours une fine pellicule qui sera toujours, parfois elle est, elle est tantôt même pas visible, qui recouvre cette tache-là. Et que nous, maintenant, en tant que dermatologues, comment nous arrivons à pouvoir confirmer que réellement c'est ça Vous allez voir que nous allons nous mettre à gratter ça, à gratter cette lésion. Comme vous voyez, le signe qu'on appelle un signe de copeau, comme on fait avec les planches. Vous allez voir que quand on va essayer de gratter, il y aura une fine peau une fine pellicule qui va se détacher et qui va nous permettre de dire que oui, ça, ce sont des lésions de dartre. Et si l'on veut maintenant pour mieux s'asseoir dans le diagnostic, parfois nous pouvons faire ce qu'on appelle un scotch test. C'est-à-dire on prend un scotch comme vous le voyez, on plaque, on patche ça sur la lésion, on détache et on regarde au microscope. Et ça va nous permettre de voir cette levure-là. Est-elle contagieuse En ce qui concerne euh, le côté contagieux, c'est toujours au stade où nous sommes en train de dire est-ce que oui, est-ce que non. Pourquoi Parce que vous allez voir que chez certains, quand ils utilisent le même filet, effectivement, ils peuvent détacher la levure d'un conjoint à un autre. D'autres, vous allez voir, tant que l'immunité est bonne, vous allez voir que rien ne va se passer, il n'y aura pas de contamination. Et du moment où nous avons déjà compris que la levure est sur la peau de tout un chacun, on se demande est-ce que réellement elle est contagieuse c'est toujours au point d'interrogation. Alors, docteur, comment se fait la prise en charge La prise en charge, elle est médicale. Il euh, faut d'abord consulter pour qu'on puisse informer, conseiller, éduquer celui qui est atteint de cette maladie pour qu'il sache que c'est pas parce que nous avons nos malades qui nous reviennent chaque fois. Ah, docteur, j'ai eu à traiter ça, c'était fini, mais c'est revenu. Il faut toujours que les gens, les personnes aient à l'esprit, comme nous l'avons dit tantôt, que la levure est une levure saprophyte qui vit au dépens de la peau de l'être humain. Donc quand on traite, il faut savoir qu'elle va se camoufler et à chaque fois qu'il y aura les facteurs qui va faire en sorte que ça refasse surface, la levure va faire surface et va reprendre encore. Mais le traitement qu'on utilise généralement, nous avons des gels moussants, comme le ketoconazole un gel moussant qu'on utilise deux fois par semaine, mais sur au moins 6 à 8 semaines. Mais même quand on traite et que ça disparaît, il faut savoir que ça peut revenir. Donc le ketoconazole, on l'utilise soit en gel moussant ou en crème qu'on utilise sur au moins 6 à 8 semaines. Et machallah, avant la fin du traitement, les lésions regressent, voire même disparaissent. C'était les explications du docteur Sarey Ousmane, dermatologue virologue au micro de Habiba Ahmed. Avant de continuer, chers auditeurs, nous allons prendre une autre pause musicale, le temps de vous laisser souffler. Et nous allons écouter le son piano du groupe Eman Kaya. gabas da yamma sai dai biyadu haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa ta gado yake buga mun akan zan mu sha zariya biyano yake buga mun akan zan mu taka rawar biyano yake buga mun akan zan mu taka rawa ta gado kare ka bi alexa ta wajen chester yan taka rawa Moi je porte du c'est sans on est tous à l'aise Lokatista ya wana da jizo fa ka ina la ka ka ka ka ina ka ka sa ina ka ka kura daga mashi da mata ka daga ka aje jazari ya fa Jazari jazari ya ya La fête des blancs, se passe comme ça. La fête des blancs, la fête de l'année pour l'année des années. Ça c'est pas chaque année dans l'année. Ça c'est fait chaque année, chaque année. que j'ai que dans ma cité. yaro kazo zo mu taka rawa dan ya kasance mu zo mu taka rawar kazo kai yaro ka zo ka zariya dan biyano ya kasance mu zo mu sha zariya biyano ga tutar gabas da yamma sai dai biyano haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa ta gado yake buga mun hakan zan mu sha ya biyano yake buga mun hakan zan mu taka rawar biyano yake buga mun hakan zan mu taka rawa ta gado Voilà, chers auditeurs, à l'instant c'était le morceau Bianou chanté par le groupe de rap Eman Kaya, un groupe de jeunes rappeurs nigériens de la région d'Aïr. Dans ce morceau, le groupe Eman Kaya décrit à juste titre comment la fête de Bianou est célébrée chaque année dans la région d'Aïr. Les différentes festivités qui caractérisent cette fête, notamment les déguisements vestimentaires, les rythmes musicaux sur lesquels danse la population à longueur de la journée et la nuit les différentes euh, partages de joie, tout dans un climat euh, de cohésion sociale totalement parfaite. Exactement, c'est nous. Donc après cette pause musicale, nous allons continuer avec euh, le reportage région qui nous amène à Maradi ce matin. Mhm. Exactement, Fanta à Maradi, au cours des années antérieures, les activités menées par les associations et clubs de jeunes ont eu, ont non seulement contribué à l'assainissement de la ville, mais aussi à la cohésion sociale entre jeunes. Malheureusement, ces activités ont beaucoup régressé ces derniers temps et tendent même à disparaître. Comment redonner vie à ces activités Sadot Ibrahim en parle dans ce reportage. wanda kuma a cewar Salisu sabon zuwa shugaban kulaba haɗin kan masoya idan har ana son farfado da wa'annan ayyuka sai an kawar da rashin adalci da kuma son kai da ake nunawa ta hanyar siyasa. Ya dace a ce nan da ya mara duk aikin da ya to na ɓangaren sharar gari na bangaren aiki cikin gari to ya kamata bayan kwangiyoyi shi saboda su ka yin shi ba tare da ba su komi ba kenan bai kamata ya hito ba kuma ga an ɗauko wasu wanda ba mu san da an dauko su ba suke zuwa suna yi a nemi kungiyoyin ga tunda suna da agreement kin suna da sati da reglement a dibi plan kin su menene gurin su me suka kware gare shi wannan an kai hakan ga to insha Allah da sannu sannu za a ganin kungiyoyi za su komo ga aikinsu. Duk da cewar a hannu ɗaya ana zargin shiwar matasa ma ta taka rawa wajen daƙile ayyukan na gama gari da ƙungiyoyin ke yi. Amma kuma a ta bakin Aliyu Tambari shugaban kulob amfani ba a makara ba idan har ana buƙatar sake farfado da ayyukan na 'yan kulob. Toni shawara ta a kirawo 'yan manyan ƙungiyoyi wanda akwai wanda an ka sani fadodi na da su ce ko biyar ba. To su yanzu duk inda wata fada take sai mu yi delegation mu ziyarce su mu ce da Allah ga ku kwance da kaya alaji duk abin da za a yi dan a gano su yauna a ta aiwana ni ina ido ku shars a nata bangare madan Isa Hajiya Hauwa ta ma'aikatar kasafta ayyukan ci gaban kasa ta jihar Maradi cewa ta yi a shirye suke a kowane lokaci wajen taimakawa da karfafa ma kungiyoyi gwiwa kamar yadda suka saba kungiyoyin nan dama suna gamuwa da su kama gwamnati musu ci gaban abin da ake na ci gaban al'umma mu kuma a namu nan wajen service technique mu muna kama musu muna waye musu kai muna musu sa su hanya yana za su yi kundin su na tsarin aikin su muna kama musu kuma cikin aikin su muna kama saboda a samu gaba daya a ci gaban ƙasa. Domin kawar da wannan kalubale da ke gurgunta tafiyar ayyukan nagayya, gayya, 'yan kulab da fadodi na maraɗi na bukatar tattaunawa tsakanin su don samar kansu mafita. Voilà, chers auditeurs, c'était là le reportage en région avec Saadatou Ibrahim. Un coucou à tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis Maradi, la capitale économique. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et tout de suite à la page sport avec Grouza Hassoumi Karim. Bonjour Grouza. bonjour Fanta, bonjour Sinou. Alors, Grouza, la 49e édition de la Coupe nationale a démarré cette semaine sur les différents stades du pays. Oui, Fanta, après la trêve du mois béni du Ramadan, les matchs ont repris avec les 16e de finale qui regroupent les 15 équipes qualifiées au tour préliminaire et les 17 équipes de la Super League du Niger. Au total, 32 clubs sont concernés par cette Coupe nationale. Et pour cette étape, plusieurs matchs se sont joués à Niamey, comme à l'intérieur du pays. À Dosso, le club Dossolet Maraba FC a accueilli l'AS Fan, leader de la Super League. Score final 4 buts à 0 en faveur des visiteurs. Anyame Zumunta a perdu devant Jean Gorzo de Maradi sur ses propres installations sur le score d'un but à 2. L'AS Garde nationale, vainqueur de la dernière Coupe nationale de l'année passée, a disposé de Kandaji Sport sur le score de 2 buts à 0. Amaradi Bourja décroche ses 3 points devant Wambay de Tawa sur le score de 4 buts à 0. Agadez Bagazam a perdu devant l'Olympique de Niamey sur le score d'un but à 2 et à Difa. Nima a battu Dankasawa de Maradi sur le score de 3 buts à 1. Gourouza, hors de nos frontières, c'est la fin de la septième édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal au Maroc. Oui, sinon, le pays organisateur, le Maroc, a remporté le trophée continental en battant en finale l'Angola sur le score de 5 buts à 1. La sélection marocaine a décroché le titre de cette canne de Fussal pour la troisième fois d'affilée. La Libye a été classée troisième grâce à sa victoire devant l'Égypte au tir au but. Outre le sacre continental, il faut noter l'autre enjeu de cette compétition, et la qualification à la prochaine Coupe du Monde, les deux équipes finalistes, le Maroc et l'Angola, plus la Libye troisième, ont décroché leur billet pour la Coupe du Monde de Futsal qui est prévue du 14 septembre au 6 octobre prochain à Ouzbékistan. Lors de la dernière édition, il faudrait rappeler, de cette Coupe du Monde de Futsal en 2021 à Lituanie, l'Afrique était représentée par le Maroc en quart de finale et l'Égypte et l'Angola. Et juste une dernière question, Gourouza, avant de vous laisser partir. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est cette discipline euh, Oui, euh, Fanta, le futsal ou le football en salle, c'est un sport collectif apparent au foot il se joue au pied avec un ballon qui, oppose deux équipes de cinq joueurs au lieu de onze. dans un gymnase, et sur un terrain de hand. L'objectif de chaque équipe est de mettre le ballon dans le but adverse sans utiliser le bras. Voilà le sport aujourd'hui. Merci beaucoup, Guruza. Chers auditeurs, nous allons passer à la rubrique Portrait du jour. Et aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un jeune étudiant entrepreneur à Niamey. Il s'agit de l'EFA de son vrai nom, Abdellah Boubakar. Oui, vu le retard qu'il y a eu au sein de l'université de Niamey, il a décidé d'ouvrir euh, une petite entreprise dans laquelle il fait de la photocopie, abonnement, canal et bien d'autres. Son portrait avec Aminata Boubakar. Âgé de 24 ans, Abdallah Boubakar Matienga alias Lefa, est un jeune étudiant entrepreneur. Après l'obtention de son baccalauréat en 2019, il s'est inscrit à l'université Abdoumoumoun de Niamey et dans un institut. Vu le retard académique, Abdallah a décidé d'abandonner ses études. Deux ans après le chômage, il a ouvert une petite entreprise où il fait de la photocopie, des recherches compteurs et bien d'autres. Écoutons-le. Après deux ans de chômage, j'ai pris conscience que dans la vie, il faut pas s'attendre toujours à ce que les parents nous fassent tout. Du coup, j'ai décidé de reprendre les études à Lucas et aussi avoir une source de revenus. Et j'ai fini par avoir la solution d'ouvrir une entreprise dans laquelle je fais actuellement des photocopies des saisies impressions, des abonnements à Canal+, des recherches compteurs. J'envoie aussi des films et des séries. Je fais des photos minutes. Dans la vie, le début de chaque chose n'est pas facile. Le phare nous parle des difficultés qu'il rencontre au quotidien. En parlant des difficultés, je vais commencer par la nijelette. Des fois, il y a des clients qui viennent et te demandent copie, tu vois. Tu les envoies des séries, des trucs comme ça, et puis hop, copie. Et puis, ça prend des heures. Ensuite, il y a certains clients, ils te parlent tellement mal qu'on dirait que tu les as tués quelqu'un. Dans la journée, je gère mon entreprise. Dans la soirée, je prends des cours du soir. C'est vraiment très fatigant. Madame Habibatou Boubacar s'est dit très fière de son petit frère. Il a commencé à étudier à l'université, du coup il a abandonné. Et après il a entrepris une activité de vente de sandwich, ça n'a pas marché. Maintenant il a émis le besoin d'avoir euh, une boutique. Donc là, là il est à ses débuts, ça va, on espère que ça va aller pour lui. Le jeune Lefa lance un appel aux jeunes et aux bonnes volontés d'investir en créant des entreprises pour embaucher les jeunes. Si à chaque fois dans notre mentalité, on continue de baser sur l'État, le pays ne va jamais avancer. Un pays, c'est pas l'État qui fait avancer un pays, c'est le peuple. Prenez l'exemple des États-Unis. Et je lance aussi un appel pour les riches de ces pays ça sert à rien d'aller stocker de l'argent dans des banques. Investissez dans ce pays. Créez des entreprises. Il y a vraiment trop de chômage. Recrutez des gens pour qu'ils viennent travailler. Abdellah Boubacar remercie très sincèrement ses parents et tous ceux qui ont contribué à la création de son entreprise et encourage aussi les jeunes à prendre exemple sur lui. Voilà, chers auditeurs, c'était là le portrait du jour. Euh, on continue toujours en musique et cette fois-ci, nous allons écouter Bila qui nous vient d'Agadez. C'est parti. تنوتن تاتي ودن فيلش كان أدفن الزن تاتي ودن فيلش كان أدفن الزن تاتي ودن سنزت قال فالتنيت تاتي ودن سنزت قال تجي التنيت تاتي ودن ويدا مقال نوتن تاتي ودن فيلش كان أدفن الزن

Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, place au loti du jour. Une odeur corporelle excessive signifie qu'une personne dégage une odeur forte et désagréable due à la transpiration ou à, un manque d'hygiène. Et oui, comment se débarrasser de la mauvaise odeur corporelle Élément de réponse dans ce loti du desk femme du studio Kalangu. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. mai mota mai mota dala ɗin da ka taso wai la haula wanga wanga mota wanga mota akwai wari wai ke hawa ya kike ina zaki haka Tsayake dai yana zuwa zan neman gawayi da ɗan turaren wuta in sa cikin wannan ɗakin namu. A'a, cikin wannan zahin kuma aka gama turaren wuta ba sai ɗakin ya ɗume da zahi ba. Ai ke dai saboda zahin ne ma ke dai tsaya dai in ƙare ina zuwa ni da ke ma ya kamata mu hira. To ba matsala sai kin dawo. Kai kai kai ɗakin sai kamshi yake gaskiya hawa mun gode. Ai ba komi, to yanzu idan ba kya komi zauna mu hira ko? To ina sauraron ki. Hanna, kin san dai ina kaunar ki sosai. Kuma da fatan abin da zan faɗa ba zai miki ciwo ba, amma gaskiya ya kamata ki sake turaren ki da man shikinki. Turare ko man shikinki cikin su guda gaskiya ya kamata ki sake wani. A'a, me kike nufi? Na yi baki ne koko turaren nawa baya da kamshi ne sosai. Eh, to ba baki kika yi ba, amma abin da nake nufi shine wallahi iskan jikin ki ba daɗi kuma shi ke aune mana dukkan ɗakin nan sanan ba daɗi sam la ilaha illallah mu da rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira na zaki a tsakan ranan nan dan ki ce mini wai wari nake yi wai me kike ɗauka kanki ne kin aza ko ni ban wanka ne ya haƙuri hanna ba haka nake nihi ba kin san cikin wata azumi muke Kuma cikin watan azumi wallahi wasu iska ba daɗi idan mutum na shakar su musamman ga mai azumi. Idan mutane na rayuwa tare dole sai ka rika tunawa da saura. Kin ga dai wannan biron tare muke mu biyar ko to duk kowa ya tahi. in kika lura daga ni sai ke kaɗai mun kai saura ai sai ki tambayi kanki me yasa Allah sauki kina son kice saboda ni ne suka bar wurin wallahi ni wa ban jin shi sosai wa iskan nan ake baki iya shi da yake shikinki ne kun baki kadai kaɗai bace ba cike irin wannan halin kowa na iya yawo da wani iska mara daɗi a shikin shi amma gyaran shiki shi ke sa ba a jin na wasu ki yanzu wani irin gyara kike ma ki. gyaran jiki kuma ni ko wani ɗiban gashin ta wani ba ni kuma da yake azumi ne ba na sa turare sosai to ai ko azumi ne ko an ce dai ba a sa turare sosai akwai gyaran da mutum ke iya yi domin rage wani iska da wani zuwa musamman a cikin wannan lokacin na zahi misali sai ki samu duk kusurwa da jikinki inda gashi ke taruwa kamar hammata ki aski ki samu ɗan lemun tsami ki goggoga a ciki da shi da duk inda kike ganin zufa kan iya taruwa wajen sai kuma bicarbonate shi ma kina iya ɗan goggoga shi ga jiki sannan ki wanka wannan duka yana maganin iskan shiki. Mm. aini ai ni ban san da wannan duka ba kun ban san da wai iskan jikina yana nan ga matsa mutane ba. Gaskiya wani abokan aiki na mu sai na nemi su gawara Yau dan shi ne ina cikin mota, mota haya na shigo sai na ga mutane na ta kallo na wani iri ana zuba mini harare. Tana yiwa iskan jikina ne suke ji? A tana yiwa. Wallahi tana yiwa Hanna. Tunda kin gani dai cikin biro da cikin motocin haya ko banki ko kuma wajaje dai inda mutane ke taruwa dole sai kin kula da halin da kike iya shi sauran mutane waɗanda kuke tare da su musamman a cikin wannan lokacin na zahi. Wallahi kina da gaskiya. Kun kona ma sa ɗan turare Aikin san ba sa turaren ba. sa turaren kaka kika sa turaren tunda sa turare cikin dauda kara turare ne sai mutum ya yi tsafta sannan yake sa turare ko da dan turaren yayi kamshi Allah sarki to gaskiya na gode miki da wannan kulawa don samun ma ka zo ka tunkari mutum ka gaya mishi gaskiya irin wannan ai sai da kuzari na gode fa gaskiya hawa allah shi yasa na ce ki hakuri kin shi hanna ba dan bana kaunar ki bane sai dai dan mu gyara bai komi ni ce da godiya Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le loti du jour euh, proposé par le desk femme du studio Kalangou. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec le mot de la semaine qui est concorde. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est l'ère de la culture linguistique avec Maman Ada. Bonjour Ada. Bonjour Seno hajja Fanta barka da warhaka. Barka ka dai Adam. Hakika kai batun Concord wato za a cewa ka shirya ko kuma wata yarjejeniya ce a muna jajibirin wannan rana kamar kowace shekara a ranar 24 ga watan Afrilun kowace shekara wato Nijar ta keɓe rana ta musamman domin wato tunawa da bikin wannan yarjejeniya da aka samu tun a inda 1995 wato ita wannan yarjejeniya kamar da kuka sani tana bayyana wato sanya hannu domin zaman lafiya a cikin ƙasar tamu a ranar 24 ga watan Afrilu shekara 1995 tsakanin gwamnatin Nijar da wasu ƙungiyoyi da suka ɗauki makamai kuma wannan biki an yi shi a nan pale de congres da ke nan birnin mai Wannan yarjejena ta kawo ƙarshen tawaye wanda an ka fara tun a shekarar 1990 a arewacin wannan ƙasa tamu da kuma gabashin wannan ƙasa tamu kuma wanda kabilar ah, Abzinawa da Tubawa da sauran wasu al'ummomi wannan dai na nuna cewa nijar an yi zaman tawaye amma babu tawaye tunda yanzu an samu jituwa tsakanin waɗannan al'ummomi da gwamnati yanzu abin da ke da kwai zaman lafiya da ci gaba. Mungo Deso, c'est Ada. Pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, en haussa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde. Votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Studio Kalangu. Yana waye muna kai. da zaman cikin gidajen mu ma yadda muke zama cikin fuwaye mu ma abun da bamu san da shi da duka yanzu mun san da shi sai mu mata kai mun ji daɗin shi yana nan ga yaba na sosai emission su wanda ya birge ni ne shine emission kan sama harkar lahiya yanzu duk lokacin da yake tahowa sanyi zahi ko damana suna emission kan lokacin nan mi ya kamata mutane su yi wace irin cuta da wace irin cuta ce adda koi wadda take zauwa a lokacin nan mi da mi ya kamata amma yara a cikin emissions da nake saurara shine wanda na yi so hiye da saura hau yara hare tubar kalla bisibila na borai bongai feri zam sanne kurbuna gaki a gaki zama sanna gaki bura kurgo ga hangana si a ga salan imisi zan kai higen di wasi wana bon zama zan kai wasan da higen di yanwadin a gokan na masala nidi kunyan da wanda gwarai matki gati a gaki wai borai mutunu ga keki ga ngai kamba nori keki kamba tukuri tu a doran diyan akuno kalanguni ga mara igaki ako kani se gumgumo ani bongai feri tubar kala borai kulka hanga hangana si ha de ni ga hanga si bayre kan ni gudu aga bagumo di man ma labaro mbo bal si ni ga zam ni ga ne hun kuna kal abisai ga ima tonto ya di gudu bayra ima tonto na ga zam wallahi din sin tinga hanga di na ban se ma kani jere kan irga ma ikani gumo zam iru yanu. bon fera ke gite urse kure da alfare haye bon irga ma kani gumgumo Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Nous avons adoré passer ce moment en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. Au micro, c'était Ali Munkela Ouseni, alias Seno et Fanta Shamsou. Et à la technique, c'était Issa Lawali et Adama Dawaki à l'édition. Ceci, on vous souhaite une très belle journée. ciao. ciao.